le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu 18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, et Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir pour, pour le forum du studio Kalangou de ce soir à la présentation Mokhtar Hamadou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz Anfani FM 100 MHz et Quartegui FM 90.9 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers les réseaux des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux de région du Niger. Nous sommes aussi présents à Arlit, Felengue, Brnengaure, Kirozerine, Magaria, Mainosroa, Tamaske, Bouza, Dorbel, Saïwalam, Doganduki, Madawa, Dakoro, Tanout, Ngingimi, Kablewa etera. Le forum du studio Kalangu est un espace d'échange avec des invités dans le respect mutuel. Dans le cadre du forum, nous faisons appel à des spécialistes ou des personnes bien indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des auditeurs sur les questions d'actualité ou des sociétés qu'ils se posent régulièrement. Aujourd'hui, nous allons parler des habitudes alimentaires au Niger. Les habitudes alimentaires sont définies comme étant le choix euh, récurrent que fait une personne ou un ensemble de personnes quant aux aliments qu'elles consomment, à la fréquence de leur consommation et à la quantité absorbée chaque fois. Les habitudes alimentaires sont fondées sur euh, des facteurs culturels, économiques et environnementaux euh, que mangent habituellement les Nigériens. Les Nigériens mangent-ils sainement euh, Qu'est-ce qui serait à la base de notre comportement alimentaire Existe-t-il de nouvelles habitudes alimentaires dans la société nigérienne ce que, nous mangeons explique-t-il la surveillance constatée de nouvelles maladies maladie ou explique-t-il l'apparition chez les jeunes euh, de maladies jadis existantes euh, seulement chez les personnes âgées euh, Ce sont là des questions et bien d'autres que ce soir nos invités vont tenter de trouver des réponses. Je suis en compagnie dans le studio avec Dr Maman Hima, consultant en santé et environnement. Docteur Hima, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également, docteur Abdelaziz Bello, nutritionniste. Euh, docteur Bello, bonsoir. Bonsoir. Comme je l'ai annoncé, aujourd'hui le forum est consacré aux habitudes euh, des Nigériens. Tous les pays de l'Afrique subsaharienne ont une base d'alimentation en commune. Cependant, des variations existent selon la zone géographique, la culture et l'ethnie. Au Niger, les populations ont des habitudes alimentaires basées principalement sur les céréales comme le riz, le mil, le maïs, le niébé et surtout les viandes. La consommation des fruits et légumes, quant à elle, reste en mineure. Une alimentation on peut diversifier. On va commencer avec euh, vous, docteur Mamanima. Mis à part la définition du dictionnaire, euh, comment définissez-vous euh, les habitudes alimentaires Je vous remercie. Les habitudes alimentaires, c'est d'abord culturel. Parce que au niveau de chaque peuple, au niveau de chaque groupe, il y a d'abord la ce qui est disponible sur place et les transformations qui sont faites en lien avec euh, bien sûr euh, des facteurs économiques comme euh, l'accessibilité financière. Donc pour chacun d'entre nous, comme vous l'avez si bien indiqué, c'est un élément important puisque les, selon l'ethnie, selon le groupe, selon le milieu, bien sûr, les différents aliments peuvent être transformés différemment et leur consommation, bien sûr, va être totalement différente. Maintenant, il y a aussi, euh, si vous voulez, la question de l'âge, puisque nous sommes dans un cycle, nous entrons dans un cycle de vie, de la naissance euh, jusqu'à la vieillesse, elles âges avancées, l'alimentation va varier. Donc le même produit, le même aliment peut être consommé ou préparé différemment pour euh, les différentes personnes. En tout cas, en, termes d'introduction, c'est ce que je peux dire euh, par rapport à votre question. Abdelrak Bello, vous êtes un nutritionniste, vous venez là euh, de suivre Dr Hima. Selon vous, est-ce que les Nigériens ont une bonne habitude alimentaire Bonne, mauvaise, je dirais pas, je dirais pas bonne, je dirais pas, je dirais pas mauvaise parce que c'est quand même subjectif. Mais euh, globalement, si on analyse euh, l'alimentation euh, des Nigériens, on, va remarquer un certain nombre de points positifs et on remarquera aussi un certain nombre de points, de points négatifs. parmi les points, les points positifs, on abordera notamment la consommation de, de céréales les céréales, c'est quand même important parce que les céréales, c'est des sources importantes d'énergie. Et quand on sait que, surtout dans notre contrée, on est une population euh, essentiellement agricole, et cette population agricole, forcément, a besoin, a besoin d'énergie. Et en ce sens, la consommation des céréales, là, qui va apporter de l'énergie, est une, est une bonne chose. Également, parmi les éléments, les éléments, les éléments positifs de notre alimentation, nous avons dans notre produit, dans notre, dans notre alimentation, une consommation, un bon niveau de consommation des laits et des produits laitiers. Et ces laits et produits laitiers, c'est quand même un effet positif parce que si on sait, si on connaît la valeur de ces laits et de ces produits laitiers là, notamment parce que ces laits et produits laitiers sont d'excellentes sources de vitamines, notamment la vitamine A, mais également d'excellentes sources euh, de, de calcium, ce qui naturellement naturellement va favoriser, c'est important pour les, pour les enfants parce que ça favorise euh, la croissance. Également, parmi les, les, éléments, les éléments positifs, comme vous l'avez dit, euh, quand même, euh, quand on parle d'habitude alimentaire, on a un, un aspect culturel qu'il ne faut pas, ne faut pas omettre. Et cet aspect culturel fait que, surtout, même s'il est malheureusement ce, ce que je vais aborder en train d'être perdu, euh, c'est-à-dire le, partage. Donc on a dans, nos, dans, nos, dans les anciens temps, on a quand même cette habitude de vouloir partager les aliments et cette habitude de vouloir partager les aliments et de consommer en groupe, c'est une, une bonne chose parce que euh, c'est ça permet dans une certaine mesure pour ceux qui sont en insuffisance, qui ont une, faible accessibilité, de pouvoir justement avoir euh, cette accessibilité-là et de ne pas tomber dans les problèmes de, la, malnutrition et autres, autres, problèmes liés à une insuffisance alimentaire. Maintenant, parmi les éléments, les éléments négatifs, on peut, on peut également aborder la surconsommation de certains produits euh, euh nos, habitudes alimentaires sont en train de changer et on remarque de plus en plus une surconsommation de, viande. Et malheureusement, cette surconsommation de viande n'est pas, pas, n'est pas sans conséquence parce qu'on a quand même remarqué, comme vous l'avez dit en introduction, il y a certaines maladies qu'on ne connaissait pas avant et ces, maladies-là, malheureusement, sont en train de prendre de l'ampleur au Niger. Euh, euh, auparavant, on connaissait surtout les maladies liées à une insuffisance, comme je l'avais abordé, qui peuvent entraîner ces maladies-là une carence en vitamine A, la carence en fer et puis tout le reste. Mais ce que de plus en plus on remarque aussi que vous avez des maladies de surcharge, c'est-à-dire que vous avez euh, normalement des maladies comme l'obésité qui sont de plus en plus qui sont de plus, fréquentes. Vous avez l'hypertension aujourd'hui, vous avez pratiquement une personne sur cinq adultes sur cinq souffre d'hypertension au Niger. Bon, docteur, quelles sont les bonnes habitudes alimentaires qu'on doit adopter dans un pays comme le nôtre? Oui, les, bonnes habitudes alimentaires, euh, que ce soit au, Niger et ailleurs, euh, les bonnes habitudes alimentaires sont basées sur euh, le choix, le choix des différents types d'aliments. parce qu'il y a quand même 6 à 7 groupes d'aliments. ces 6 à 7 groupes d'aliments doivent être présents dans notre, dans notre alimentation. Ces 6 à 7 groupes, c'est notamment les céréales que j'ai évoquées. Les céréales, heureusement, nous avons un bon niveau de consommation. Et parmi les éléments euh, qu'il faut également avoir de plus en plus, euh, parce que ça c'est recommandé par l'OMS, c'est recommandé par l'UNICEF, c'est avoir un bon niveau de consommation en fruits et légumes. Mais malheureusement, notre alimentation prouve que nous avons une sous-consommation de ces fruits et légumes. Pourtant, ces fruits et légumes ont de nombreux, de nombreux avantages. Nous avons également parmi les choses à faire pour euh, quand même améliorer les choses. Comme je l'ai dit, il y a quand même une surconsommation de plus en plus de viande. Là également, il faut aller plus, plus, plus, euh, avoir une sous de ces produits-là. Donc, euh, pour avoir une bonne alimentation, essentiellement en deux ou trois, deux, deux ou trois principes, donc, c'est chercher à avoir un équilibre. Cet équilibre-là, c'est d'avoir les différents groupes d'aliments, notamment les sources de, sources de, d'énergie que sont les céréales, avoir les sources de protéines que sont les viandes, poissons, œufs et lait, et avoir les sources de vitamines que sont les fruits et, légumes. Maintenant, comme on l'a dit, il faut aussi éviter, éviter les excès, comme qui sont, ces excès-là sont notamment relatifs à la consommation de certains produits, comme je l'ai dit, la viande, la consommation de plus en plus de sel, la consommation de plus en plus de produits, euh, de produits pimentés. Donc, tous ces éléments-là peuvent naturellement avoir des conséquences sur notre organisme. Les Nigériens, dans leur euh, alimentation quotidienne, consomment le riz 7 jours sur 7 euh, dans la grande dans la majorité euh, des foyers. Docteur Maman Hima, comment s'alimenter euh, correctement Ce qu'il faut dire, il faut faire une grande différence entre le milieu rural et le milieu urbain. Euh, l'alimentation, l'objectif principal hein, quand je recherche, c'est apporter à travers l'alimentation l'ensemble des éléments nutritifs dont l'organisme a besoin, soit pour sa propre, pour son propre fonctionnement. Donc, il y a un certain nombre de calories qui sont répartis dans les différents groupes d'aliments, comme le euh, docteur Bello l'a dit tout à l'heure, qu'il faudra que notre alimentation puisse nous apporter. Alors, docteur, nous sommes dans un pays très pauvre. La majorité des Nigériens sont pauvres. Est-ce que c'est facile pour le Nigérien moyen de regrouper des aliments, d'avoir des aliments qui regroupent euh, toutes euh, ces richesses Oui, c'est possible parce qu'il faut d'abord interroger sur ce que nous avons sur place. Tout à l'heure, j'ai parlé du milieu rural et du milieu urbain. Nous avons tendance, nous, en milieu urbain, de considérer que ce que nous mangeons, c'est ce que l'ensemble, l'essentiel, qui constitue l'essentiel de l'alimentation de l'ensemble des Nigériens. Une ville, Niamey, ou n'importe quelle capitale africaine aujourd'hui, avec ces phénomènes de globalisation et de mondialisation, il n'y a pas de différence, je dirais, entre ce qui est disponible dans une capitale africaine ou une métropole comme New York, Paris ou ailleurs. Le problème qui se pose, c'est au niveau de l'accessibilité. Mais pour revenir à ce que, à nous autres ici au Niger, vous avez tout à l'heure, en partie introductif, parlé de la consommation de céréales et vous avez mis le riz en avant. J'aurais préféré que ce soit euh, le mil, par exemple, ou le sorgho. Et ça, ça montre tout simplement que euh, votre approche par rapport à votre milieu, par rapport à votre vécu, c'est ce que vous voyez sur place. Il y a des Nigériens qui peuvent faire une année sans manger un grain de riz, tout simplement parce que le riz ne fait pas partie de leur environnement, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de se donner du riz. Je pars sur un, principe simple. Nous le disons, c'est que, on le dit d'ailleurs, euh, notamment Hippocrate qui le dit, il faut que notre alimentation soit notre remède. Parce que le premier élément de bien-être pour notre propre équilibre, quel que soit notre âge par ailleurs, c'est l'aliment ou les aliments que nous consommons. Pour les Nigériens, pour parler de manière générale, nous avons parlé d'un certain aspect culturel. Nous avons parlé de ce que nous consommons, ce que nous devons consommer, et vous dites, est-ce que ça peut répondre à nos besoins Bien sûr que ça peut répondre à nos besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit le mille, sous forme de pâte, c'est-à-dire euh, le koubou kourba ou le tuolopchi comme on dit, que ce soit le maïs, que ce soit le sorgho, tous ces aliments-là vont apporter un certain nombre de substances nutritives qui vont nous permettre d'avoir, d'avoir un équilibre pour notre alimentation. Maintenant, ce qui se passe au Niger, particulièrement en milieu rural, c'est que le rythme des repas n'est pas du tout respecté. Si en milieu urbain, nous pouvons, par exemple, avoir trois repas par jour, plus de collations. En milieu rural, ce n'est pas le cas. En milieu rural, c'est en général un repas par jour. Et c'est à travers ce repas par jour qu'on veut que l'ensemble des éléments dont nous avons besoin par jour, que nous puissions les consacrer dans ce même repas. En général, c'est des repas aussi qui sont sans protéines animales. Ils ne sont pas aussi diversifiés. Ce n'est pas diversifié parce que c'est sans protéines animales. Je le dis tout simplement, c'est sans protéines animales parce que le plus souvent, dans les zones les plus reculées, les personnes mangent la viande une fois par semaine, c'est-à-dire le jour du marché, parce qu'on abat un animal en fonction de, des clients potentiels. Il n'y a pas une possibilité de conserver les aliments, donc l'animal qui est abattu doit être consommé séance tenante. Il y a un paradoxe les, aliments nous viennent de la campagne théoriquement. Mais quand vous prenez même les poulets, aujourd'hui la bolaille que ce soit les poulets, les pentades, nous sommes arrivés souvent à des paradoxes qui font que nos parents qui vivent en milieu rural aujourd'hui considèrent même comme un coq ou une poule ou un canard ou une pentade comme une ressource financière. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à consommer eux-mêmes la volaille, mais ils vont plutôt vendre la volaille pour pouvoir acquérir soit d'autres aliments, soit pour satisfaire d'autres besoins. Quand vous voyez un peu euh, même les différents produits agricoles, aujourd'hui, quand vous prenez un milieu rural, c'est extrêmement triste de constater au jour d'aujourd'hui que pour transformer le mille, par exemple, on demande à la bonne dame d'aller au grenier le matin et je vous jure que quand vous suivez toutes les phases de transformation, on arrive à 22 heures, vous allez avoir un repas incomplet pour l'ensemble de la cellule familiale. Donc ça montre quand même que là, de ce point de vue, entre le milieu rural et le milieu urbain, le fossé est grand. Il y a une fracture. Ce qui amène d'ailleurs à, à nous rendre compte que les cas de malnutrition, de dénutrition, même chez les adultes, sont très fréquents en milieu rural. Une étude mondiale menée par euh, Oxfam en 2011 euh, sur euh, nos habitudes alimentaires a révélé que des personnes changent leurs habitudes alimentaires à cause de la hausse des prix de la nourriture. selon vous, docteur Abdelazak Bello, comment la hausse des prix des aliments impacte euh, sur euh, ce que nous mangeons Avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même euh, dire quelque chose par rapport à la question que vous avez posée à Dr. Hima par rapport au fait que est-ce que parce qu'on est pauvre, on peut aspirer à un équilibre alimentaire moi, moi je, dirais, je, dirais, je dirais que c'est possible. Pourquoi je dirais que c'est possible euh, Parce que nous avons euh, une grande variété, d'aliments qui sont souvent, qui sont, dont les valeurs nutritives sont souvent méconnues, mais qui, en les consommant, peuvent nous apporter des éléments nutritifs et, et, ça peut nous permettre d'atteindre cet état d'équilibre-là. Quand vous prenez un aliment aujourd'hui comme le, comme le moringa, que, qu'il faut, il faut faire la promotion, euh, c'est un, un, arbre qui non seulement va nous apporter des vitamines et des sels minéraux, mais c'est un arbre qui, contrairement aux autres feux, les, feuilles feux de moringa, communément appelés zogala ça nous apporte, ça nous apporte des protéines. Donc, du coup, euh, comme l'a dit Dr. Hima, nous n'avons pas accès souvent aux protéines animales. Donc, du coup, la consommation de, des aliments comme cela peuvent, peuvent, peuvent, nous apporter des, éléments nutritifs comme les protéines. Également, tout ce que nous avons comme fruits et légumes, fruits et légumes donc que ce soit, je ne sais pas, le Yalo, que ce soit aujourd'hui le, le, Gourgi, que ce soit autre chose, tous ces éléments-là contiennent des vitamines et des sels minéraux qu'il faudrait, qui peuvent nous permettre d'atteindre une, situation d'équilibre. Ce n'est pas forcément parce que c'est cette tendance-là à croire que c'est seulement lorsque l'aliment vient de dehors, vient de l'extérieur, qui peut contenir des peut contenir des vitamines, qui peut contenir des sels minéraux, qui peut contenir des protéines. Donc notre alimentation ce que nous avons de disponible, ça peut nous permettre d'atteindre une, situation d'équilibre. Mais comme il le dit souvent aussi, c'est la, méconnaissance et aussi c'est surtout le fait que euh, par le volaille, nous ne voyons que le revenu que nous pouvons tirer du, volaille. Nous ne voyons pas l'effet qu'il peut nous apporter. Parce que le fait de, bien manger, ça peut nous éviter certaines maladies. Donc, je vends, ma volaille à 2000 francs. Euh, je viens sûrement que je ne je n'investirai pas tous ces 2 000 là dans notre alimentation de la famille. Donc, du coup, certaines, certaines maladies peuvent apparaître et je vais dépenser beaucoup plus que ce que j'ai gagné par rapport à la vente de ce, de ce poulet-là. Et maintenant, pour revenir à votre question par rapport, par rapport au coût, euh, euh, nous avons euh, la chance de, d'évoluer dans un milieu où nous sommes en, nous encadrons des étudiants et par exemple, nous avons fait une, très récemment une étude sur les pratiques, l'évolution des pratiques, les pratiques ancestrales en matière, en matière d'Alimentation et dans la région de, dans la région de Zender. Justement, cette étude-là, par exemple, montre que effectivement le, le, coût, le coût change parce que cette étude, nous l'avons menée auprès des personnes âgées, des personnes de plus de, de plus de 60 ans, qui nous relatent leur vécu par rapport à ce qu'ils ont connu il y a une quarantaine d'années et ce qui se passe et ce qui se passe maintenant. Et naturellement, par, par ce que ces personnes-là disent, ce que euh, euh, le coût, le coût a entraîné une, une, modification des habitudes alimentaires. Parce que quand vous prenez la galette que vous pouvez acheter, euh, avant quand on vous donne une galette de, de, de 5, de 10 francs, c'est difficile que vous puissiez, manger ça. Maintenant, une galette de 5, francs, ça, ne vaut, ça, ne rien du tout. Et quand vous prenez, comme il l'a abordé par rapport à la transformation, avant, quand vous prenez euh, par rapport à cette transformation-là, quand vous prenez un, euh, il ne faut pas beaucoup de choses pour faire toutes ces transformations-là. Maintenant, le coût, le a fait que, bon, tous ces éléments-là ont, connu une, une, une inflation. Donc, du coup, Bien entendu, euh, ce n'est pas n'importe qui qui va avoir accès à certains aliments. Je dis qu'il va avoir accès, à certains aliments. Donc, naturellement, le coût va influencer nos habitudes. Et comme il l'a dit, si je ne peux pas me permettre tel aliment, je vais aller vers tel autre aliment. Seulement, ce qu'il faut dire, ce tel autre aliment-là vers lequel je vais aller. Ce n'est pas forcément un aliment qui n'a pas de, qui n'a pas de, qui n'a pas de, qui n'a pas de vertu. Il faut aussi noter que les pâtes alimentaires ont bouleversé notre alimentation. Ces produits auparavant considérés comme un luxe sont aujourd'hui à la portée de tous. Docteur Mamanhima, la consommation excessive de ces pâtes a-t-elle un impact sur notre santé Oui, bon, mais c'est normal que les pâtes alimentaires nous envahissent. Parce que, il faut se dire, surtout en milieu urbain, effectivement, l'essentiel de ce qui constitue notre alimentation nous vient de l'extérieur. Je vous lance un défi à vous et à l'ensemble de nos auditeurs de faire 24 heures et de consommer exclusivement nigérien. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Il y a des Nigériens qui peuvent vous faire un mois sans consommer un seul produit, un seul aliment qui est produit localement. Ça montre un échec de notre politique de production agricole, ça manque, montre une non-valorisation de nos produits alimentaires. Quand vous prenez un exemple, aujourd'hui, quand vous prenez l'extrême est du Niger, le Barabouskou, il a totalement disparu dans nos habitudes alimentaires. Quand vous prenez Zender, vous avez le Alkaki. Mais Alkaki, ça peut concurrencer n'importe quelle madeleine qu'on vend dans les supermarchés. Quand vous prenez aujourd'hui au euh, Niger Centre Tawa, le Tchoukou, tout le monde sait que euh, le, lait de, chamel qu'on transforme en fromage, tout le monde sait aujourd'hui que c'est de haute valeur nutritive et ça fait partie de nos pratiques culturelles. Il y a quelques années, le niébé ou haricot était considéré comme un sous-produit. N'ayons pas peur de mots comme étant un aliment des pauvres. Aujourd'hui, avec euh, la promotion qu'il y a eu sur, je vais dire, le prix de vente au niveau du producteur et une forte campagne de sensibilisation et aussi de possibilités de transformation les béribéris vont le transformer. Toutes les différentes ethnies, Hausa, Germa, etc. et tout. Je connais par exemple le Bali, où euh, aujourd'hui, vous voyez un peu dans les différentes fadas, c'est devenu l'aliment de base que les gens consomment. Et c'est très riche. Mais il a fallu pour cela, d'abord, que le producteur ait raison de produire du haricot. Parce que quand vous produisez et que votre produit que vous vendez ne vous apporte pas assez de ressources, il n'y a pas une incitation à la production. Deuxièmement, il a fallu aussi que on se rende compte qu'on peut faire plusieurs choses avec le même produit. Troisièmement, on se rend compte aussi que, parce que l'aliment, il y a une question de goût aussi, et d'habitude et de goût. Les gens se rendent compte avec le différent panel de possibilités qu'on pose, qu'on ou qu'on permet aux gens d'avoir, ça leur permet aujourd'hui d'avoir une diversité, une gamme de cuisine, de plats qu'on peut proposer aux Nigériens et chacun en fonction de son goût va le prendre. Donc, nos différents aliments, une fois qu'on va faire la promotion, une fois qu'on va avoir des prix rémunérateurs au niveau du producteur, ça va permettre à chacun d'entre nous de le consommer. Ce que vous avez dit est extrêmement juste. Aujourd'hui, si j'étais en milieu rural, je vais aller vers les pâtes alimentaires. Parce que en 15 minutes, c'est cuit. Il suffit de le bouillir et de mettre soit de l'huile, soit du sel, et c'est prêt à la consommation. Je vous ai dit en partie introductive qu'il vous faut près de 12 heures de temps pour transformer en milieu rural le mille, quand il est disponible, en vue d'une consommation vous voyez que ce que vous m'offrez en termes d'alternative, elle est plus simple. Donc ça veut dire que tout simplement, aujourd'hui, même en milieu rural, il y a une introduction, notamment des pâtes alimentaires, uniquement liées justement à des questions de non, de pré-transformation de nos aliments et de toute la difficulté que nous avons pour pouvoir transformer en vue d'un repas nos produits alimentaires. Vous voyez, il y a une chose qui fait extrêmement mal pour un Nigérien. Quand vous arrivez en Afrique du Nord aujourd'hui, même dans les restaurants 4-5 étoiles, vous avez une gamme de produits alimentaires qui sont sur les cartes de couscous, par exemple. Quand vous arrivez aujourd'hui au Sénégal, le tchepougen est intégré et le mafé dans les cartes des grands restaurants. Quand, vous, quand je vous dis à poisson, ça vous fait directement référence à un pays de la sous-région. La Côte d'Ivoire. c'est pour poser le problème que vous posez, pour donner une ébauche de réponse, c'est pour dire tout simplement qu'il faut stimuler la production locale. Deuxièmement, il faut en faire la, promotion. Troisièmement, il faut aider particulièrement la masse, la masse la plus importante de notre population en faisant une pré-transformation de nos différents produits locaux qui va favoriser leur cuisson en vue d'un repas. Dans les zones de conflit avec euh, les camps de réfugiés et des déplacés ou encore chez les populations qui vivent de l'insécurité alimentaire, docteur Abdelzak Bello, est-ce que pour euh, ces personnes, on peut parler d'habitude alimentaire on peut parler d'habitude alimentaire parce que même si c'est vrai, souvent, ils n'ont pas le choix des, des, aliments, mais ils ont quand même une alimentation qui va leur apporter un certain nombre d'éléments. Parce que même quand ils sont, ils sont assistés, souvent, on leur donne la liberté de, de faire, le, de, faire certains, de faire certains choix. Parce qu'il faut éviter euh, de, de, tomber justement dans cette idée de, de ne consommer, euh, vraiment, je, à ce niveau-là, je rejoins parfaitement docteur Hima, de ne consommer que ce qui vient de, de l'extérieur. Je pense que même même dans, ces camps-là, de plus en plus, on fait la promotion des, des, aliments locaux parce que justement, il ne faut, pas, il faut pas perdre les valeurs culturelles. Il ne faut pas perdre les valeurs culturelles alimentaires. Et malheureusement, c'est la perte de ces valeurs culturelles alimentaires-là. C'est cette perte-là qui fait que de plus en plus, comme on l'a évoqué plus loin, qui, de plus en plus de maladies, de maladies apparaissent. Donc forcément, même que dans, les, dans, dans ces camps-là, il y a, il y a la promotion de ces aliments locaux-là, de sorte que ces personnes-là qui sont dans une situation difficile, il ne faut pas aussi qui, soient coupés de leur, de, leur, de leur alimentation habituelle, même si ces personnes-là sont, sont, sont, sont, assistées. Maintenant, également, juste aussi pour répondre, rebondir par rapport à ce, ce, ce qu'il a dit tout à l'heure, par rapport à, nos, aliments, nos aliments locaux. Euh, il y, a, y a un exemple que j'aime souvent, souvent donner, c'est par exemple quand vous prenez euh, les, les, les ailes de dinde, et, le niébé. Aujourd'hui, si je vais chez vous, je vous trouve en train de manger le niébé, je vais dire, ce monsieur-là, aujourd'hui, apparemment, ça ne marche pas chez lui. Mais dès que je viens, je trouve des ailes de dinde, je dis, bon, c'est vraiment, c'est c'est ça, ça va. Mais quand vous regardez du point de vue composition, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus d'ailes de dinde que de dinde? Alors que, s'il euh, n'y a pas beaucoup plus, en fait, le problème, c'est quoi? de l'autre côté, les ailes de dinde, c'est lié au fait que les ailes de dinde sont très riches en acide, euh, en graisse, et c'est malheureusement c'est la mauvaise graisse qu'on trouve dans ces ailes de dinde là. Donc du coup, pour une bonne partie des producteurs, le fait de couper les ailes de denne, c'est une mesure préventive contre les maladies parce qu'il y a des maladies cardiovasculaires qui sont en train de prendre l'ampleur de l'autre côté. Donc c'est une mesure préventive qui, qui, a été prise de l'autre côté en enlevant ces ailes de denne là pour éviter la maladie. Donc du coup, nous, ces ailes de denne là, c'est ça qui aujourd'hui en les consommant, c'est ça un, signe, un signe de luxe. Alors que le nébé, comme il a dit, c'est un aliment qui, qui a une grande valeur nutritive, qui est très riche en protéines, qui est riche en vitamine B, qui apporte également du fait. Mais pourtant, bon, le, ces aliments-là sont sous-estimés au détriment des aliments qui viennent de dehors. Alors, docteur Mamanhima, euh, selon vous, qu'est-ce qui peut pousser une personne à bouleverser son, habitude alimentaire Bon, nous sommes dans un village planétaire, on a l'habitude de le dire, c'est-à-dire que euh, il faut d'abord la disponibilité des aliments. Ce qui peut nous amener, c'est que on mette beaucoup l'accent sur la production locale, créer les conditions pour doper notre agriculture, pour pouvoir vraiment créer les conditions vers une autosuffisance alimentaire. C'est important. Deuxièmement, il faudra aussi qu'il y ait beaucoup de sensibilisation sur un aspect que nous avons oublié jusqu'à présent, sur, euh, par exemple, l'alimentation des, nourrissons euh, qui va jusqu'au niveau du sevrage. Nous avons euh, dans certains groupes euh, sociaux ou ethniques, je veux parler par exemple où on va dire que un enfant n'a pas le droit de manger la tête de poisson, un enfant n'a pas le droit de manger des œufs qui sont que nous avons hérité culturellement, mais qui du coup, du coup pénalisent l'enfant. C'est-à-dire que moi, j'appelle ça une triple peine. Parce que dans nos pays, euh, si vous voulez être euh, peu, d'enfants, euh, si vous voulez, quand on voit le taux de mortalité des nourrissons, on se rend compte que l'alimentation intervient pour une grande part pour le déséquilibre et est une des principales causes de malnutrition et donc même de mortalité. Donc il y a d'abord ce premier élément. Oui, le deuxième élément dont il faudra tenir compte, c'est que il faudrait que nous acceptons de payer à un prix convenable les prix des aliments. Parce que tant que l'agriculture est de plus en plus délaissée, et ça nous amène à ce que souvent les gens n'ont pas intérêt à aller vers la terre, à aller vers la production, parce que on ne vit pas de l'agriculture. Des nouvelles maladies aussi ont fait leur apparition chez les populations. Bon nombre de personnes sont victimes d'hypertension, euh, d'accidents vasculaires cérébraux, de diabète et d'autres mots similaires. Docteur Abdelzak Bello, vous êtes euh, nutritionniste. Qu'avez-vous à dire par rapport à cela Est-ce que ce sont les conséquences de notre comportement alimentaire Bien sûr, ce sont les conséquences de notre comportement alimentaire. Euh, parce que euh, euh l'organisme, il est, il est, comme je l'aime, j'aime le dire, l'organisme, il est très rancunier. L'organisme, il est très rancunier euh, parce que quand vous lui faites subir une maltraitance, tôt ou tard, il vous demandera des comptes. Euh, et nous sommes malheureusement, excusez-moi du terme, dans une situation de plus en plus d'indiscipline alimentaire. Donc ces situations d'indiscipline alimentaire, quand on remarque de plus en plus, on a comme je l'avais évoqué, une surconsommation de, de sel. Aujourd'hui, tous les, tous les jours, tous les mois, vous avez de nouveaux, de nouveaux arômes qui apparaissent. Aujourd'hui, tous les, tous les mois, tous les jours, vous avez des nouvelles tomates qui apparaissent. Aujourd'hui, quand vous regardez, euh, quand vous regardez la télé sur, sur 100 publicités, il y a 90%, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr les jus. Donc, du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on nous donne comme information? Manger salé, manger sucré, manger gras. Donc naturellement, euh, la consommation de ces éléments-là sont des éléments favorisant la survenue de la plupart des maladies que vous avez évoquées, notamment que ce soit l'hypertension, que ce soit le, le, le, diabète. que ce soit également de plus en plus, vous avez, vous avez la route. C'est effrayant parce que quand vous prenez les statistiques de l'OMS, les statistiques de l'OMS disent, par exemple, dans une quinzaine, une vingtaine d'années, ces maladies-là, les maladies cardiovasculaires par exemple, vont représenter la principale cause de mortalité dans les pays pauvres, dans les pays pauvres comme le, comme le Niger. Donc naturellement, il y a des soucis, il y a des motifs d'inquiétude et tous ces éléments-là, c'est en rapport avec notre, notre, nos mauvaises habitudes alimentaires. Alors, docteur Abdousak Bello, que faut-il faire pour y remédier ce qu'il faut pour y remédier, justement, il faut plus de sensibilisation. Et à ce titre-là, des émissions de ce genre sont vraiment sont, sont, sont, sont, sont bienvenues pour essayer de changer la, la, la, tendance parce que là où nous allons, malheureusement, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas une bonne chose. Donc, pour y remédier, forcément, il faut revenir, comme il l'a dit tout à l'heure, docteur Him l'a dit, à nos anciennes valeurs alimentaires qui, qui sont, qui sont saines. Par exemple, euh, euh, il faut forcément diminuer la quantité de, la quantité de graisse que nous, de, d'huile que nous consommons. Il faut diminuer la quantité de sel que nous consommons. Il faut diminuer la quantité de sucre que nous, que nous consommons parce que ce sont des éléments qui, qui prennent de, de prendre de l'ampleur. Il faut également promouvoir, et ça c'est une habitude qui est en train d'être perdue, tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est difficile de trouver qu'une femme mette son enfant au dos ce sont des habitudes qui sont en train d'être qui sont en train d'être perdues. Aujourd'hui, on nous revient avec cette habitude sous la forme de, de kangourou, alors que c'est une habitude que nous avions nous avions nous avions depuis. Donc, il faut forcément que nous revenions à nos anciennes valeurs culturelles et avoir, comme je l'ai dit, une sous-consommation de sel, une sous-consommation de sucre, une sous-consommation de, de, de comment on appelle ça, de, de même même de même de viande. Et tous ces éléments-là vont faire en sorte que nous puissions vraiment être dans de, en bonne santé Également, l'autre chose qui est en train également d'être perdue, c'est aujourd'hui avec les, avec les médias, au lieu d'aller rendre visite à mon, à mon frère, donc je vais, je vais juste l'appeler ou je vais lui faire un WhatsApp. Alors qu'en me déplaçant, je fais 10-15 minutes de marche, donc ça me permet, et c'était tout simplement pour dire qu'il faut aussi promouvoir l'activité physique de façon régulière, et la promotion de cette activité physique de façon régulière, ça peut être un élément favorisant euh, la diminution justement de, cette, de ces maladies-là que nous sommes en train de, de remarquer de plus en plus. Docteur Mahaman Hima, quelles sont les mauvaises habitudes dont on doit nécessairement s'éloigner pour euh, rester en bonne santé Ah, mais vraiment, nous n'avons que des mauvaises habitudes. <laughs> on ne doit pas tout abandonner. Euh. Nous n'avons que des mauvaises habitudes. Vous savez, aujourd'hui, je dirais que aujourd'hui, si vous voulez, quand on présente un repas, plus il est rouge et si le dans la sauce euh, l'huile surnage, ça veut dire un signe d'aisance. Hein. Deuxièmement, quand euh, vous voyez aussi une personne aujourd'hui, on vous agresse dès que vous perdez un peu de poids. On pense que euh, c'est un marasme économique dans lequel vous plongez. <laughs> Et les gens sont là en train de vous scruter, tout simplement, pour voir si vous avez grossi ou vous avez maigri. Au lieu de vous dire bonjour, on vous demande, on demande que tu as grossi ou tu as maigri. Vraiment, je ne comprends pas cette euh, forme de violence que nous exerçons les uns sur les autres. Essayez de déceler à travers le phénotype ou la morphologie de l'individu, si plus ou moins socialement, économiquement ou financièrement la personne est à l'aise. Il faut arrêter ces déviations euh, psychologiques, ces agressions psychologiques sur les uns et les autres. Maintenant, pour manger ce qu'il faudra manger, l'excès de tout est nuisible, quel qu'il soit. Hein? Deuxièmement, ce que vous mettez en trop dans l'organisme là, que vous refusez de partager avec les autres, l'organisme va créer les conditions. C'est une surcharge de travail pour essayer de les éliminer ou de le stocker. Donc c'est inutile aujourd'hui de, prendre trop de sucre, c'est inutile de manger trop gras, c'est inutile de manger un excès de, sel, etc. On l'a dit en alimentation, il y a la fréquence d'alimentation, il y a la qualité des aliments et c'est important de ne pas s'empoisonner. Parce que quand vous prenez trop de sucre, trop d'huile, donc de matière grasse, euh, trop de graisse, et trop de glucides, vous vous empoisonnez. Parce que l'aliment va se transformer en poison tout simplement parce que vous mettez dans l'organisme des quantités supérieures à ses besoins quotidiens. Autre chose, nous avons aussi, selon les périodes de l'année. Tout à l'heure, vous voyez que les, nous autres Nigériens, pendant le jour de la Tabaski, ou les 72 heures qui suivent la tabaski. Mais il y a des gens qui mangent 90% de leur viande en 3 jours. 12 kilos en 3 jours. C'est énorme. Oui, c'est du poison. parce que tout simplement, les autres périodes de l'année, je vous ai dit que les gens vous font des repas sans protéines animales. Donc il faut faire attention à ces grandes périodes aussi, par exemple. Deuxièmement, nous sommes à une période aujourd'hui festive. Euh, pendant euh, cette période-là où c'est les retrouvailles, c'est les jouissances, soit c'est les arrosages des examens pour les gens qui ont réussi, soit c'est les célébrations de mariage ou c'est des baptêmes. Mais vous voyez un individu en un jour, parce que il ne peut pas s'offrir une bouteille de boisson sucrée, je ne veux pas faire de la publicité à des gens, qui le jour-là, on dirait que c'est la consommation de l'année. Sur place, parce qu'il est venu à un mariage, il vous consomme six boissons sucrées. <laughs> docteur, on va revenir vers vous peut-être euh, avant la, clôture de ce forum. Euh, docteur Albert Bello, est-ce que notre alimentation impacte sur notre corpulence ou notre intelligence euh, oui, notre alimentation forcément a un impact sur, sur, notre corpulence. parce que quand vous consommez beaucoup de sucre, donc le sucre va entraîner un excédent énergétique parce que le sucre, là, notamment les boissons sucrées, quand vous prenez beaucoup de boissons sucrées, donc forcément vous êtes dans une situation d'excédent énergétique et en ce moment-là, l'excédent va, euh, va être stocké et le stockage là va entraîner la, prise, la prise de poids. Maintenant, quand vous prenez également, euh, vous avez quand même euh, tout, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent avoir un effet sur le, sur le, sur le cognitif parce que notamment notre capacité d'apprentissage. Donc il y, a des, il y a des vitamines quand même qui sont, qui sont reconnues pour faire du bien, pour faire du bien au, cerveau. Il y a des sels minéraux qui sont reconnus pour faire du bien au cerveau. Quand vous prenez des, certains éléments comme le, comme le magnésium, n'est-ce pas, c'est quand même bien pour le Pour l'organisme. Quand vous prenez la vitamine A, la vitamine C, c'est tout, c'est également bien. Et vous avez également notre alimentation peut être influencée elle peut influencer notre intelligence en ce sens que de plus en plus, quand euh, vous regardez maintenant dans les médias, on vous parle d'oméga 3, on vous parle d'oméga 6 et c'est reconnu que ces oméga 3 là qu'on va retrouver dans, dans certaines, dans certaines, notamment dans les huiles, ces oméga 3 et ces oméga 6 là sont, sont reconnus comme étant des éléments favorable au, au, développement des cellules, des cellules nerveuses et qui naturellement ça va avoir un effet sur l'apprentissage. Quand vous prenez, il y a une étude qui a été faite notamment le, une, une, simulation notamment le profil, qui montre par exemple que notre alimentation le, le, coût de notre alimentation. C'est-à-dire que sur la période de 2006 à, à 2015, c'est-à-dire que le manque à gagner par rapport à notre mauvaise, à nos mauvaises, mauvaises alimentation c'est estimé, peut-être que selon ces, statistiques-là, à, à, 1 milliard de milliard, de francs CFA. Ça ce que le manque à gagner par rapport à notre mauvaise alimentation, c'est à peu près 1 milliard de dollars que nous, perdons. Docteur Mamonima, rapidement, vous avez moins d'une minute pour vos conseils. Oui, le conseil, c'est que euh, vraiment, mangeons sainement. Hein, deuxièmement, il faudra procéder à la transformation, pré-transformation de nos aliments. Troisièmement, il faut une campagne aussi de sensibilisation pour la promotion de nos produits locaux. Le dernier Conseil des ministres euh, du 2 août 2017 euh, a créé un fonds d'investissement en matière d'agriculture. Ça montre que c'est une nouvelle dynamique normalement qui va financer la transformation de nos produits agricoles. Euh, des usines peut-être comme Sotramil qui était avant Azender, peut-être vont renaître. C'est peut-être une nouvelle cap, c'est passé inaperçu, mais en tout cas, je pense que ce fonds d'investissement dans le secteur agricole va permettre peut-être, en tout cas selon le Conseil des ministres, à aller vers le financement de la transformation de nos aliments. C'est une bonne chose. Mais intégrons aussi, chers Nigériens, des fruits dans notre alimentation. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Chers auditeurs, vous avez suivi nos médecins, nos consultants. Hein, tout ce qu'il faut retenir, c'est que la bonne alimentation fait partie des meilleures choses à adopter euh, pour euh, être en bonne santé et pour euh, prévenir de nombreuses maladies. Merci à vous tous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain 18h15 avec une autre thématique. Merci, au revoir.